Qu'est-ce que tu m'avais dit au début Que je pouvais aller voir d'autres gens, mais c'est ce que j'ai fait. La montagne Alia, tu pouvais rencontrer d'autres gens à la condition de me revenir à la fin. Jigen bo xamni boy, bu la fatawul sax jamono ji mënatu la bëgg. Non, ça va, ça va. Si tu m'aimais ou tu m'aimais pas. Justement si. Parce que l'autre m'a changé, Alia. Kanadu, tu yow lay waxal, yégal s'il te plaît. pour man l'essentiel mooy ma retrouver sama stabilité ak amour bu ma ñàkkoon